le forum du studio le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam 18h passé de 15 minutes dans la capitale du manga, plus précisément à Difa. et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studios Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires euh, qui émettent dans les huit chefs-lieux de région du Niger ainsi que dans les localités d'Arlita, de Kirozirine, de Bouza, Tamaski, Mainosoroa, Magaria, Mayaï, Berningaure, Dorbel et Saï. Chers auditeurs, le forum du studio Kalangou est un espace d'échange et de débat dans le respect mutuel. Aujourd'hui, euh, nous parlerons de la situation sécuritaire dans la région de Difa. Avec nous ce soir pour développer ce thème, M. Anafi Suleiman, directeur régional du tourisme et ancien député et questeur. Avec nous également Moussa Arimi, socio-économiste, ancien maire de Ngidjimi. Moussa Arimi, bonsoir. Bonsoir. Anafi Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, nous allons échanger sur les causes réelles de l'insécurité dans la région du Difa. Ensuite, dans la seconde partie de ce forum, nous parlerons des conséquences de l'insécurité dans la situation de l'état d'urgence et enfin, dans la troisième et dernière partie de ce forum, nous essayons de proposer quelques pistes de solutions pour un retour définitif de la paix dans la région qui a tant souffert. Chers invités, avant de vous donner la parole, suivez d'abord le point de la situation dans la région du Difa, la situation sécuritaire bien sûr, adressée par le gouverneur de la région d'Andono, Mohamed Lawali. On l'écoute. Moi, je pense que la région de Difa se porte de mieux en mieux. On peut même dire qu'elle se porte bien, comme toute la région du Niger. En tout cas, du point de vue sécuritaire, un travail énorme a été fait par nos forces de défense et de sécurité aujourd'hui faire une attaque massive de la part de Boko Haram sur la région de défenses, ça sera difficile parce que vraiment euh, toute la région est sous contrôle. Les forces de défense sont partout sur le terrain et sont en train de ratisser. Mais également du point de vue civil et administratif, il y a eu beaucoup de choses en termes de... On a sensibilisé les gens, on leur a expliqué la nécessité de collaborer avec l'armée pour qu'on ait un retour de la situation du point de vue positif. Et en tout cas, de façon générale, je peux vous affirmer que la région de Difa se porte très, très bien. Il y a de cela quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, dans le village de Ngalewa, quelques gens ont été tués par Boko Haram et une quarantaine de femmes et d'enfants ont été enlevés. Avez-vous, euh, au jour d'aujourd'hui, les nouvelles de ces personnes enlevées il y a quelques jours, justement, le village de Nglewa a été attaqué par euh, des éléments de Boko Haram. Ça, c'est des incursions qu'on a, justement, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas placer derrière chaque village une position militaire. Donc, euh, la complicité souvent faisant son chemin. Donc, ils savent où se trouve l'armée, où l'armée n'est pas présente. Donc, ils font des incursions pour faire des règlements de compte. Donc, justement, ils ont fait incursion dans le village de Nglewa. Ils ont malheureusement assassiné des jeunes et ils ont pris des femmes. Nguelewa, c'est une zone qui se trouve vraiment ni à ni avec le lac. Le lac, c'est quand même le lieu de prédilection de Boko Haram. C'est là où ils sont en train de se retrancher avant qu'on aille les débusquer là-bas. Donc, euh, ils sont venus, ils ont pris des femmes. D'abord, nous sommes partis sur les lieux, nous avons euh, transmis les condoléances des plus hautes autorités du Niger. Mais également, nous avons continué à sensibiliser la population quant à la nécessité de continuer à collaborer. Nous avons également renforcé la position militaire dans cette zone. Pour ceux qui des personnes qui ont été emportées, nous sommes en train de faire des, recherches avec toutes les, les, populations civiles qui ont accès au lac, qui continuent à aller au lac, euh, pour voir exactement où est-ce qu'ils sont cachés. Moi, je pense que, Inch'Allah, dans, dans les jours à venir, on va les retrouver et puis on va les ramener de leur famille la crise euh, ici dans la région de Dufane et des agissements de Boko Haram a favorisé beaucoup de populations déplacées. Comment s'organise l'aide en faveur de ces déplacés, monsieur le gouverneur Oui, effectivement, euh, cette situation à nous imposée par la secte Boko Haram a fait en sorte que nos populations se sont déplacées pour venir euh, s'installer dans des lieux plus sûrs. nous avons accueilli des déplacés internes, c'est des Nigériens qui étaient le long de la Komadogo qui ont fui pour venir ici sur, le, sur mais également on a accueilli des réfugiés, de nos, des réfugiés qui sont la plupart de nos, frères du Nigeria, qui ont également fui la secte pour venir s'installer au Niger. Et une autre catégorie qu'on appelle les retournés, qui ce sont des Nigériens qui étaient au Nigeria maintenant, qui sont revenus compte tenu de l'aspect sécurité. Donc euh, l'un de l'autre, toutes ces trois catégories sont prises en charge par euh, l'État et ses partenaires. Je peux vous assurer que pour le moment, la situation est sous contrôle. Beaucoup d'efforts ont été faits en tout cas, pour le moment, tout va bien. L'assistance euh, est en train d'être faite et nous allons profiter pour demander encore à nos partenaires de continuer à accompagner l'État pour prendre en charge toutes ces populations. Parmi ces populations déplacées, monsieur le gouverneur, il y a des éleveurs. Comment gérer la, la situation des humains et leur cheptel Effectivement, la région de Diva est une région pastorale qui a on parle de plus de 5 millions de têtes de bétail. Avant cette insurrection de la Boko Haram, ce bétail était plus positionné au niveau du lac. C'est là où ils ont le pâturage, c'est là où ils ont de l'eau. Mais aujourd'hui, compte tenu de, l'aspect insécurité de ce lac, et beaucoup leveurs étaient obligés de remonter en hauteur pour venir chercher le pâturage et l'eau. C'est vrai, nous avons des difficultés, surtout pour ce qui est de l'eau, parce qu'on euh, ne peut pas abreuver 2000, 3000 têtes autour d'un puits. Mais ensemble avec nos partenaires, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut installer des stations de pompage un peu partout dans cette zone. C'est vrai, c'est difficile, mais je pense que nous avons eu des accords avec beaucoup de partenaires qui ont accepté de nous faire des stations de pompage. Mais nous, nous pensons que le plus urgent, c'est de débarrasser cette zone de la secte Boko L'armée est en train de faire euh, sa partition et nous pensons que dans peu de temps, l'armée va faire le travail. Le lac sera nettoyé et que ces populations vont retourner pour vaquer à leur occupation. Retour à présent dans ce studio d'Amfani ici à Difa. À partir de 2010, la situation socio-économique de la région de Difa s'est dégradée, particulièrement en raison des inondations de la komadougou sur survenues euh, pendant quatre années successives 2010, 2011, 2012 et 2013. Ces inondations ont constitué une véritable catastrophe et causé un chômage euh, massif chez les producteurs de poivrons après euh, ces entraînements, euh, participation à des exactions au Nigeria, beaucoup de jeunes de la région de Difa ont rejoint des foyers de l'économie criminelle et de la contrebande à partir de Bosso et de Chetimari. Monsieur Arimi Moussa, vous êtes socio-économiste et ancien maire de Ngidjimi. La situation sécuritaire s'est détériorée au Nigeria du fait des récurrentes exactions de Boko Haram, mais également de l'existence euh, de milices presque tolérées à l'époque par l'armée nigériane dite Gourada Adda. Euh, selon vous, euh, est-ce que ces quelques éléments précités sont les principales causes de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région de Difa La question euh, de Boko Haram, c'est une question qu'il faut voir un aspect historique. La région du Difa euh, n'est pas isolée. la région du Difa est dans un ensemble euh, qu'on appelle l'empire du Kanem-Bornou. Ça englobe le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad. C'est une région qui n'a jamais été colonisée. Euh, qui a été colonisé au 19e siècle, c'est le premier empire euh, de l'Afrique, l'empire qui a plus duré, avec une organisation sociopolitique euh, qui n'a rien à envier à l'Europe. Mais il se trouve qu'après l'indépendance, les États africains, que ce soit le Niger, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Cameroun, euh, cette région, du point de vue infrastructure socio-économique de base, que ce soit au niveau de l'éducation, est en retard par rapport à d'autres régions vraiment euh, des pays, que ce soit le Nigeria. Euh, moi, j'ai étudié au Nigeria. Je savais que à l'époque, je disais qu'à un ami Yoruba du Nigeria que le Nigeria est une table bancale. Parce qu'il euh, y a le Sud qui avait 98% du taux d'alphabétisation, euh, euh, Borno, Cassina, Sokoto étaient à 17% du taux d'alphabétisation. Je à dire qu'on ne peut pas créer une nation. On crée une nation en renforçant ses bases à travers ses frontières. Et si vous constatez aujourd'hui, le Tchad fait exception. Pas comme le Niger, pas comme le Nigeria, pas comme le Cameroun. Au Tchad, par exemple, la première école euh, du Tchad, c'est dans le bassin du lac Tchad, c'est à Mao, euh, dans l'état du Canem, la première école du Tchad. Et c'est pourquoi on avait, on n'a pas tellement de difficultés. C'est vrai, ils font des excursions, mais c'est les insulaires du lac Tchad, du Tchad, qui sont euh, à partis au niveau de Boko Haram, mais pas les citoyens du bassin du lac Tchad au Tchad, dans la rébellion de Boko Haram. Donc, euh, c'est une question euh, vraiment d'assises économiques de ces États. Euh, je, dis souvent, mais quand j'échange avec les gens, que tu, tu, fais une nation en renforçant les capacités, en renforçant l'économie, en renforçant les infrastructures au niveau de tes frontières. Sinon, on ne peut pas faire une nation. Moi, je dis que la, voilà la cause, et c'est vrai, c'est une... Euh, Selon vous, la cause de ce conflit armé, c'est l'analphabétisme des populations. C'est le sous-développement. Ça englobe beaucoup de choses. Moussa Rimi, ancien maire de Ngigimi, quelle a été la contribution des leaders d'opinion euh, à l'époque euh, pour stopper net les vérités de ces organisations criminelles Jusqu'à présent, dans l'histoire, aujourd'hui, toute la population que ce soit les, leaders religieux, les chefs traditionnels, les hommes politiques, personne ne soutient Boko Haram. Mais en réalité, c'est la pauvreté, mais c'est les gens les les moins nantis qui sont partis à Boko Haram. Il n'y a aucun fils digne vraiment de cette région qui est partie à, à la rébellion, qui est partie euh, à l'extrémisme, au fanatisme à quelle euh, période, euh, vous, leader euh, d'opinion de la région du DIFA, avez-vous alerté les plus hautes autorités du Niger pour qu'ils se préparent en conséquence À l'époque où nous étions on a dit que mais on n'a pas les infrastructures, machin. Là, où il y a les puits, il n'y a pas de la paille pour les pasteurs. Là où il y a la paille, il n'y a pas de puits. C'est une question de maillage de points d'eau, c'est une question de développement. Euh, les écoles dans cette région, eh ben, c'est pas ça. Euh, Moussa à l'époque, euh, la réaction des plus hautes autorités de ces pays a-t-elle été prompte Bon, je ne suis pas content, mais je dis que un pays il faut aimer, on n'a qu'un seul pays. on est amarré euh, à une nation, à un pays. Mais rendez-vous compte, euh, dans un pays, tu es dans une région où tu à 1500 km de Niamey, toujours vous n'êtes pas à l'écoute des autorités politiques. En 2012, il y avait eu un malaise social ici à Difa, dans la région de Difa. Est-ce que ce sont là euh, les conséquences euh, de la naissance de Boko Haram euh, dans la partie nigérienne du Difa Pas du tout. Ça, c'est une question des, des impacts du pétrole de la région de Difa donc, euh, il y a le pétrole. Les gens ont eu beaucoup d'espoir. Ils pensaient qu'ils allaient avoir des emplois. Et généralement, ce n'est même pas des intellectuels, ce n'est pas des gens formés, ce n'est pas des techniciens, ce n'est pas des ouvriers spécialisés, ce n'est pas des, ouvriers qualifiés. Mais les jeunes gens, eh, mais ils ont droit, ils ont pensé avoir avec le pétrole là peut-être euh, résoudre la question du chômage. Mais ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient. Sinon, euh, la région du Difa, euh, le lac Tchad, pouvait résoudre toute cette question. Et maintenant, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, il n'y a personne dans le lac Tchad. Monsieur le maire Arimi, Moussa Arimi, on va revenir vers vous le temps de donner la parole à Anafi Souleymane. Anafi Souleymane, vous êtes le directeur du tourisme et ancien député et casteur, la région de Difa est actuellement au devant de l'actualité nationale et internationale sur le plan sécuritaire de façon globale. Selon vous, comment se porte euh, la région de Difa Bon, vous savez, euh, merci. Donc, euh, pour ce que je gère, moi, c'est-à-dire le tourisme et l'artisanat, vous savez, le tourisme est incompatible avec toute forme d'insécurité. Et aujourd'hui, les groupes terroristes qui interviennent, pas seulement à Difa, mais dans le Sahara en entier, se sont spécialisés dans le rapt et le ciblage des expatriés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Niger est classé comme euh, une zone rouge dans laquelle on ne peut pas faire venir des charters. Donc, de ce côté-là, le tourisme classique ne fonctionne pas. Mais cela ne veut pas dire que les professionnels du tourisme sont au chômage parce que vous savez, la nature a horreur du vide. Les touristes ne viennent pas. Mais la situation qui a été créée à Difa a amené un autre type de visiteurs, même s'ils ne sont pas totalement touristiques. Il y a eu une ruée des humanitaires sur la région de Difa. Cela a créé quelques difficultés, les difficultés notamment liées au logement qui a grimpé en flèche, et les hôteliers Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Il n'y a que deux unités hôtelières, l'hôtel du 18 décembre qu'on a hérité de la fête tournante du 18 décembre qui est en gérance et qui est occupé pour 25% par l'université du Niamey et le reste par un hôtelier qui a une gérance. Donc les humanitaires qui viennent à Difa, il faut qu'ils se logent, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils se déplacent. Et tout ça, c'est des choses que peuvent leur offrir les professionnels du tourisme, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants et les agences de, location de véhicules. Donc c'est euh, un autre aspect. De l'autre côté, nous gérons aussi l'artisanat. C'est là où nous rencontrons le plus gros de difficultés parce que vous vous rappelez, en, en 2015, lorsqu'il y a eu l'attaque de DIFA, les attaques se sont multipliées, on a été obligé de demander aux populations riveraines et dans les îles du lac Tchad et riveraines d'évacuer avec un délai bien serré. Cela a fait que les populations ont été obligées de quitter en abandonnant une partie de leurs biens. Parmi ces populations, il y a beaucoup d'artisans. Vous savez, l'artisanat, c'est vaste. La vendeuse de Tchétchéna est une artisane parce qu'elle transforme un produit pour lui donner une plus. Et ces personnes ont souvent quitté en laissant leur outils de travail. Et aujourd'hui, elles vivent en position d'assistance et les mesures qui sont mises en, œuvre pour leur venir en aide, nous avons toujours combattu pour que on les aide, on les recense et on les aide à reconstituer leurs outils de travail et de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Au lieu qu'on leur donne chaque jour à manger, ils peuvent produire. Ça, c'est quelque chose. En plus de ça, la situation d'insécurité, toujours dans le domaine de l'artisanat, a créé certaines restrictions. Il y a des métiers qu'on ne peut pas. Du moment où on a décidé de mettre hors euh, d'usage toutes les motos de la, de la zone, il y a aussi la conséquence logique qui est les réparateurs de motos, que nous recensons comme non seulement les, réparateurs et ceux qui font les taxis motos, que nous nous classons comme artisans de petits transports de biens et de personnes. Et en même temps, les réparateurs de motos aujourd'hui sont obligés de se recycler dans d'autres emplois. Donc ça, ce sont des conséquences que nous avons vécues au niveau de notre euh, emploi. Ailleurs, par rapport à la vie même de Difa, la vie de Difa est devenue trop chère. Parce que Difa est très liée à Maïdougouri. Et depuis que cette frontière-là est fermée, il faut passer par le Nigeria. Monsieur le directeur, euh, ça c'est les conséquences. Nous allons en discuter. Voilà, nous allons en euh, discuter. Euh, avant, il y a de cela quelques semaines, l'université du DIFA a organisé un symposium international euh, sur euh, l'insécurité dans la région de Difa, euh, ayant regroupé 2000 chercheurs. Pensez-vous que les fortes recommandations de cette rencontre ont apporté un changement dans la vie des populations de la région de Difa Les recommandations ne peuvent pas amener directement un changement à condition qu'elles soient appliquées par ceux qui doivent prendre les décisions nécessaires. Ce forum, ce symposium, j'ai assisté. Et il y a eu d'éminentes personnalités des pays du pourtour du lac Tchad qui ont vraiment diagnostiqué les causes, qui ont analysé les méthodes et qui ont proposé des solutions. Il appartient à tous les acteurs parce que on ne peut pas seulement combattre la guerre euh, par la guerre, il faut aussi combattre dans l'esprit. Cette guerre est née d'abord dans les esprits, c'est une idéologie que des gens veulent imposer il faut la combattre. Et il faut aussi combattre les facteurs de propagation de cette euh, nébuleuse-là. Et ces facteurs, c'est notamment l'emploi de la jeunesse, la lutte contre l'ignorance et bien d'autres facteurs. Et aussi tous les réseaux qu'ils peuvent récupérer. Donc ce symposium peut, il contient des recommandations à même de nous aider à gérer non seulement la période de combat, mais aussi l'après j'ai assisté, vraiment c'était très bien. Anafi Suleiman, euh, vous êtes le directeur régional euh, du, tourisme à Difa. Au regard du dernier développement de la situation sécuritaire, faut-il rester optimiste ou pessimiste quant à un retour définitif euh, de la sécurité, de la paix dans la région de Difa et, Même, la renaissance du tourisme et de l'artisanat. Difa a énormément de potentialité j'ai beaucoup d'espoir, c'est pour ça que je suis là. Ce que, euh, vous savez, dans les, en 2015 jusqu'à 2016, la secte Boko Haram avait quand même des bases à partir desquelles elle pouvait lancer des attaques massives. Mais aujourd'hui, il y a une nette évolution parce que les quelques excursions qu'il y a, c'est des excursions contre des paisibles euh, populations. Ils ne vont jamais là où ils savent qu'il y a l'armée. Ils vont dans des villages isolés et ils les prennent parce qu'ils savent que là, ils ont un moyen de pression contre l'autorité. Est-ce que ce sont des moyens de règlement de compte, comme le dit tout à l'heure euh, Monsieur le gouverneur Ce n'est pas un bon moyen de règlement de compte de venir dans un village massacrer la population. Ça aide plutôt à mettre la population contre ces gens-là. Parce que quand votre frère est enlevé ou tué, vous êtes plus enclin à l'avenir à ne plus collaborer avec ces gens et à collaborer avec ceux qui les combattent. Donc, c'est une stratégie qu'ils ont adoptée parce qu'ils sont faibles mais c'est une stratégie aussi qui va, qui les enlève du cœur des populations, parce que c'est elles qui subissent les exactions et c'est elles qui subissent eh, les pertes économiques de ces actions-là. Donc, ça va finir et ça va finir avec l'aide de la population locale qui est de plus en plus dégoûtée par ce qui se passe. Moussa Arimi, vous êtes euh, socio-économiste et ancien maire de Ngigimi. Euh, vous venez d'écouter euh, Monsieur le gouverneur et Anafi Suleiman. Selon vous, quelles sont les véritables causes de la détérioration de la situation sécuritaire de la région Moi, je crois que, vous m'excusez beaucoup, mais c'est l'État qui crée les situations. Tout à l'heure, je vous ai dit que les déséquilibres entre les régions peut amener à cette situation. Parce il y avait, euh, si vous avez des enfants euh, vraiment des talibés, des enfants qui sont dans les écoles euh, vraiment traditionnelles, qui vont partir quémander, qui vont passer de maison en maison, des jeunes enfants de, de 4 ans, de 5 ans, qui vont passer de porte en porte pour chercher à se nourrir. Quelle éducation qu'ils donnent, c'est vrai, nous sommes des musulmans, nous croyons en ça. Mais la suite, ça veut dire que c'est une démission de nos nations. selon vous, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché dans le cadre de la gestion sécuritaire dans la région du Difa Ça, c'est une question qui n'est pas le ressort euh, d'un citoyen, c'est le ressort euh, vraiment de l'État la défense, euh, parce que nous avons confié euh, l'ensemble de nos pouvoirs euh, aux structures élues, à l'État pour nous défendre. Donc nous, on ne peut pas apprécier si ça a marché ou ça n'a pas marché, comment ils vont faire, ça n'est pas notre affaire. Nous, l'essentiel, on veut la sécurité, on veut vivre en paix. La deuxième partie de ce forum s'intéresse aux conséquences de la dégradation de la situation sécuritaire à Difa. Anafi Suleiman, l'une des conséquences de l'insécurité dans la région de Difa, c'est cette crise humanitaire qui risque de s'aggraver davantage avec les récentes attaques de Boko Haram. Comment faire face à l'urgence humanitaire selon vous L'urgence humanitaire, euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'ils ont fait c'est euh, d'apporter une assistance directe à tous ces déplacés. Ces déplacés intérieurs et ces réfugiés qui sont venus des pays voisins. C'est une aide qui consiste à les assister à se nourrir, à subvenir aux besoins primaires. Mais je crois que quand il y a un conflit dans une région, on ne s'attend pas à ce que du jour au lendemain, tout revienne dans l'ordre et que chacun rentre chez lui. Il faut permettre à ces personnes de se passer de l'aide de, plus en plus. C'est-à-dire, au lieu de, euh, on ne peut pas toujours continuer à leur donner des sacs de riz, de, l'huile et de l'argent pour acheter des candiments. Il faut leur apprendre un métier. Je crois que certaines ONG ont commencé à le faire. Et il faut s'engager dans une logique à ce qu'ils soient eux-mêmes résilients, c'est-à-dire qu'ils puissent se défendre contre la pauvreté et tout ça. Ces élèves qui sont déplacés avec leurs parents, on doit aussi prendre des dispositions. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai eu heureusement la chance de participer à des formations de femmes et de jeunes, artisans, euh, en artisanat. On leur apprend des métiers, on les forme en groupement et on leur demande de créer une activité pour chercher des débouchés pour ce qu'ils vont produire. C'est bien. Mais en plus, ces jeunes-là, ils ont des parents qui connaissent des métiers eux aussi, il faut les aider à exercer chacun son métier, il faut les recenser et les aider à faire ça. De plus, on se rend compte que de, plus en plus, la paix est revenue de plus en plus et ceux du Nigeria retournent. Mais les déplacés nigériens à l'intérieur du lac Tchad, qui est quelque chose de difficile à maîtriser, sont obligés de rester là. Ils doivent avoir le même traitement que tous les réfugiés, puisque eux aussi, ils ont été contraints de se déplacer mais on doit aussi les réinsérer dans le circuit économique national. Parce qu'ils ont abandonné leurs terres qu'ils cultivent, ils ont abandonné leur métier, ils sont venus dans un camp de réfugiés. On ne peut pas toujours continuer. Il faut que les ONG rentrent dans le cadre du développement, pas de l'assistanat, mais du développement. Moussa vous êtes un socio-économiste et ancien maire de Ngingemi. Selon vous, comment s'organise l'aide humanitaire sur place Bon, on dit que si quelqu'un dans des difficultés vient chez toi te donner euh, un appui, on lui dit merci. Mais euh, nous, dans cette région, euh, on disait qu'on n'a jamais connu, par exemple, une malnutrition aiguë ou malnutrition sévère. Ça n'existe pas parce que la première région de la dans la sous-région avec les spirulines. C'est la région de Difa, dans le lac Tchad. Euh, et euh, il y a des spirulines, euh, les, enfants, là, la sauce, et il n'y a pas de malnutrition. Mais aujourd'hui, c'est cette crise qui a créé toute cette situation. Mais je n'ai jamais vu un humanitaire qui est en train de distribuer des spirulines. On amène des farines et toujours quand on voit que c'est un peu commercial. Mais l'aspect le plus important, c'est pas venir donner à manger, c'est pas venir distribuer du riz, de l'huile, mais il y a des aspects plus importants, il y a des aspects de protection. Il faut que euh, tous les réfugiés, tous les déplacés internes euh, aient accès aux infrastructures socio-économiques de base qui sont rudimentaires dans cette région. Comme je vous dis dès le début, euh, nos États dans le bassin du lac Tchad, que ce soit au Niger, au Nigeria, au Cameroun, euh, n'avait pas développé un certain. Je vous dis que euh, le, premier euh, CSI euh, au centre de santé dans le, bassin intérieur du lac Tchad, c'est à mon époque, j'étais maire de Ngimi, de Roléléwa. Il n'y avait aucun, mais il y a à peu près 50 000 personnes, mais il n'y avait pas un centre de santé. Alors euh, concrètement, à l'heure où nous sommes, euh, quelles sont les difficultés des populations les difficultés sont énormes. Ils ont quitté leur bassin de production, que ce soit le nord euh, de l'élevage, le manga, avec les dromadaires. Quand il y a des sécheresses récurrentes, ils descendent dans les lac. Mais où est-ce qu'il y a On ne peut pas venir dans, les, lacs. les gens du bassin du lac Tchad, ils sont ressortis sur les dunes, dans les zones désertiques le bassin de la Commandougou. Ils sont tous remontés au nord du Goudron, comme on dit. Ça veut dire que le bassin humide de la Commandougou, il n'y a personne. Les cuvettes de Maria il n'y a personne. Tu vois Quel que soit ce que tu fais, un homme, quand quelqu'un te donne à manger, quand tu ne fais pas une production, est-ce que tu es libre Est-ce que tu es digne Voilà la question. Anafi Souleymane, vous êtes le directeur euh, régional du tourisme ici à Difa, l'allègement des mesures euh, de l'état d'urgence euh, et la levée des restrictions telles que euh, la vente du poivron, du poisson, a-t-elle apporté des réponses concrètes Oui, c'est un soulagement qu'il y ait un allègement d'abord de la circulation des personnes jusqu'à pour les voitures c'est à 20 heures et les piétons à 22 heures c'est bien en plus de ça, il y avait certaines productions qui étaient le poumon économique, qui est la, euh, culture et la vente du poivron, qui a repris, même si les débouchés euh, sont toujours au Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui payait ça. Donc aujourd'hui, ils sont obligés d'aller vers euh, Zender pour aller vendre ça. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse leur permettre de transformer ces produits-là ici à Difa. Difa produit beaucoup de poivrons, mais peu est transformé ici. On le vend ailleurs et c'est ailleurs qu'il est transformé. Je crois que l'économie gagnerait à ce que les opérateurs économiques s'orientent beaucoup plus vers la transformation des produits locaux ici et qu'ils exportent le produit fini. C'est une bonne chose. Mais l'autre mamelle de l'économie de DIFA, Jusqu'à présent, elle n'est pas encore autorisée parce qu'elle est dans la zone la plus dangereuse, c'est le poisson. Le poisson, euh, on sortait des quantités qui permettaient vraiment de faire euh, vivre beaucoup de gens dans la région de Difa, mais c'est la zone la plus touchée qui est concernée, ce qui fait que euh, c'est une source de revenus qui est là. Mais au vu de ce qu'on voit, on espère que petit à petit, ça va aller. Ça va aller si les mesures qui sont prises sont accompagnées d'autres mesures parce que j'ai toujours dit, la guerre est née dans les esprits. Pour mieux la combattre, il faut la combattre dans les esprits. Alors, quelles sont les conséquences de cette crise sur le cheptel, euh, le commerce en général euh, et le tourisme dans la région Vous savez, toute l'économie euh, d'ici avait été accaparée par Boko Haram. Pourquoi ces productions ont été interdites Elles ont été interdites parce qu'on s'est rendu compte que durant toutes les années où ils combattaient au Nigeria, c'était la vente de poivrons, c'était la vente de poissons et c'était la vente du bétail. Donc, c'est pour ça qu'elles ont été interdites. Et aujourd'hui, ces productions, certaines ont repris, mais la vente de bétail, aujourd'hui, elle est toujours sous contrôle parce que ils continuent à attaquer des éleveurs pour amener leur bétail le vendre au sud du Nigeria à se faire des revenus. Donc ce sont des activités surveillées. Mais il faudrait qu'on crée un cadre pour que sache où, qui vend quoi. dire vous savez que beaucoup de marchés sont fermés parce qu'on ne peut pas les contrôler. Mais il faudrait que les collectivités territoriales renforcent des mesures sur le commerce du bétail pour qu'il soit vendu au Niger, d'abord en devise nationale. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. DIFA fonctionne plus en ERA qu'en CFA. Et dès que la monnaie fluctue, on perd. Notre bétail est vendu en Nera. et quand la NERA tombe, le prix est... Donc ce sont tout ça là des conséquences. Parce qu'avant avant, ce conflit-là, les Nigériens venaient ici et ils payaient de grandes quantités. Et aujourd'hui, il faut contourner en passant par Zender pour aller le vendre. C'est un circuit trop long et les pertes dans le circuit là sont assez important. Moussa Arimi, ancien maire de et que pensez-vous de la question des repentis de Boko Haram Comment la population accueille-t-elle euh, ce sujet Bon, ça c'est une question d'appréciation euh, que euh, nous, nous sommes des musulmans. On dit que Dieu est le miséricordieux. Quelle que soit ta faute, il peut te quand tu te repentis, il t'excuse. Mais je crois que c'est très tôt dans les mémoires euh, des citoyens de Difa euh, d'oublier ce qui s'est passé, euh, les villages brûlés, les gens assassinés, égorgés. on ne peut pas parler, c'est très tôt et dernièrement il y a une quarantaine euh, de nos concitoyens nigériens qui, ont été enlevés en Galewa. Mais aujourd'hui, euh, on dit que nous, du fois, on n'est pas content, il n'y a pas une réaction des citoyens nigériens, euh, une réaction forte de la société civile même. Il y a 40 Nigériens ont été enlevés et vraiment, on n'a pas attendu, on pensait que on allait avoir le soutien national. Donc on ne peut pas parler des repentis de Boko Haram maintenant parce que jusqu'à présent, euh, nous vivons, nous sommes des Nigériens comme tout le monde. Et quand on enlève 40 de nos concitoyens qui sont otages, et euh, la société civile ne réagit pas, personne ne réagit, ils réagissent timidement. Ça, c'est impensable. Euh, monsieur le maire, est-ce que vous êtes prêt à pardonner ces repentis de Boko Haram je dis que c'est une question de temps. Ce n'est pas le moment pour même poser cette question. Euh, pourquoi, selon vous, monsieur le maire ben, On dit souvent même que euh, quand tu excuses quelqu'un, euh, tu n'oublies pas. Donc la question n'est pas sur la table pour les citoyens d'ici. Monsieur le maire Moussarimi, que faire pour amener d'autres éléments du Boko Haram à déposer les armes et se repentir la question, ce n'est pas de cette manière qu'il faut poser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y aura pas de Boko Haram euh, demain voilà, on va, en venir. quel avenir pour l'école <laughs> dans la région de Difa au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, monsieur le maire Mais il n'y a pas d'école à Difa. Il n'y a pas d'école. Sur le bassin, je dis que sur euh, le, machin de la commande de c'est la région la plus peuplée. Il n'y a aucune école. Les gens n'ont pas, depuis Boko Haram, les collèges sont fermés, les écoles primaires sont fermées. L'éducation, c'est du saupoudrage que les gens font. Il n'y a pas d'école à Difa. Alors, euh, selon vous, comment vous vivez euh, cette période euh, ici à Difa Comment on vit On vit avec des larmes. Mais on croit encore à notre pays. On croit encore au Niger. On croit encore à la nation nigérienne mais nous ne sommes pas satisfaits du tout, vraiment, du soutien de nos concitoyens. On n'est pas satisfait. Voilà la question de la solidarité nationale. Ça, c'est constitutionnel. Anafi Suleiman, on va euh, aller vers vous. Euh, la jeunesse de la région euh, du Difa a-t-elle pris conscience de l'importance de la promotion de la paix et pour le développement de leur région La jeunesse scolarisée est très consciente de la nécessité de la paix pour que eux, parce qu'ils savent que leur avenir est compromis s'il n'y a pas la paix. Mais par contre, comme il le disait, il y a une majorité d'analphabètes, particulièrement dans le monde rural. Et c'est de là que vient le problème. Parce que la nature a horreur du vide. Lorsque vous avez certains villages reculés dans lesquels il n'y a pas d'école, quelqu'un vient, il donne des aides, on ne sait pas ce qui, on ne vérifie pas c'est qui, à la fin, on crée des monstres. Si aujourd'hui les, euh, les, personnes intellectuelles scolarisées euh, modernes ont compris, il y a beaucoup d'analphabètes dans les villages qui, eux, pensent que c'est Dieu qu'ils servent. La troisième euh, et dernière partie de ce forum vise à proposer quelques pistes euh, de solutions à court, moyen et long terme pour une solution durable et rapide de la crise sécuritaire et humanitaire ici à Difa. Euh, Anafi Suleiman, vous êtes le directeur régional du tourisme. Rapidement, quelles solutions D'abord, la cause principale, c'est idéologique. Il faudrait qu'on implique les oulémas qui connaissent la vraie religion de combattre cette euh, idéologie-là dans les esprits. Deux, Sans vous interrompre, est-ce à dire que les, leaders d'opinion qui sont ces leaders religieux ne sont pas mis en, contribution Ils ne sont pas visibles parce que la médiatisation de leur action n'est pas claire. On ne sent pas quelqu'un qui vient à Difa pour combattre mot à mot l'idéologie préparée, propagée par ces gens et dans les villages. Parce que, je vous disais, ils pensent que c'est Dieu qu'ils servent. Et au nom de Dieu, ils tuent d'autres musulmans. Donc c'est là-bas qu'il faut la combattre. Il faut aussi combattre les facteurs de propagation. C'est le chômage des jeunes, c'est l'analphabétisme et l'ignorance. Il faut les combattre. Et la pauvreté. C'est pour ça que je vous dis, il faut envisager une autre approche pour que les personnes elles-mêmes ne se sentent pas concernées et qu'ils prennent cette question-là à bras le corps pour combattre ces gens. Et on ne peut pas le faire seulement par l'armée, on doit le faire aussi de manière idéologique et économique. Donc, selon vous, il faut apporter quelques éléments ou bien c'est les éléments euh, locaux qui peuvent faire le travail Même les éléments locaux, Difa a toujours été religieuse. Depuis l'Empire Kanem Bornou, Difa a eu des, leaders religieux et il n'y a jamais eu de problème. Et ils sont très respectés. Mais ils ne peuvent pas aujourd'hui prendre le risque d'aller prêcher contre ces gens alors qu'ils se savent nombreux protégés. Et pour rien. Donc il faut les protéger. Il faut leur donner la parole pour qu'ils combattent ces idées-là, parce qu'ils sont respectés dans leur zone. Moussa selon vous, comment faire pour ramener la culture et la sérénité dans la région du Difa Rapidement. justement, je dis que par rapport euh, aux éléments, euh, l'État n'a pas contrôlé du tout les chefs religieux, les imams L'État ne fait rien, comme je vous ai dit que l'État ne fait rien aux talibés, l'État ne fait, rien aux jeunes scolaires, etc. etc. Donc, euh, c'est des citoyens nigériens. Tu vas voir un marabout qui va être euh, euh, à, côté de lui 40, 50 talibés, mais l'État ne, le reconnaît même pas. On ne connaît même pas du point de vue vraiment de Kirkila. Qu'est-ce qu'il a l'État doit contrôler ça. L'État doit contrôler les, imams qui sont dans les, dans les mosquées qui font les prêches. Et ça, généralement, dans les pays du monde, partout, ils deviennent des fonctionnaires. Ça, c'est un minimum. Donc, tu, ne peux pas laisser à n'importe qui qui va venir. C'est vrai, il y a l'association islamique, etc. à n'importe qui qui va venir parler de n'importe quelle bêtise. Tu vois Donc, l'État devrait contrôler. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, moi monsieur le toujours, il faut penser aux enfants euh, dans cette zone-là. Le plus important, c'est les, enfants. Et le relèvement, justement, c'est la création des infrastructures socio-économiques de base. Le relèvement, c'est la création d'emplois. Le relèvement, euh, vraiment, c'est la, la, protection des droits euh, de la femme, de l'enfant, etc., etc les citoyens, il faut qu'ils aient les droits, même que les conventions internationales euh, les ont donnés. Anafi oui. rapidement, en 30 secondes. Oui, les militaires ont fait très bien leur travail. Il faudrait que les politiciens et les autres aussi fassent leur travail, qui est le développement de la région, le combat contre le chômage et l'ignorance. Voilà, euh, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Anafi Souleymane, directeur régional du tourisme et ancien député et questeur. Nous étions également avec euh, Moussa Arimi, socio-économiste, ancien maire d'Ungingimi. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence avec une autre thématique. Merci, au revoir.